ça sera inédit dans l'histoire politique sénégalaise. Ça, c'est le mots Comment y travailler, comment y parvenir. Présent à chaque fois, ce qui directive, Rokiyoman, Ayanor, et les au Sénégal. On ne fait son âme On ne dit pas que l'âme est en train So non jiɗi laamu ngu heddo juuɗe moɗon il faut le so non jiɗi laamu ngu heddo le le il faut qu'on respecte, qu'on accompagne et puis qu'on se plie à la décision du président et qu'on travaille en inclusivité. de Monsieur Taf, vous avez du pain sur la planche. Monsieur Taf, ou la PSE France, vous avez une grosse mission. La grosse mission est de faire élire aux 25 février 2024, et nouveau chef d'État. Et nous allons le faire parce que nous savons le faire. Depuis 2009 jusqu'à nos jours, nous avons toujours gagné des élections. Maintenant, c'est à nous de confirmer. C'est à nous de confirmer cette méthode. Nous avons besoin des jeunes, des femmes, des responsables, des cadres, tout un chacun. Il n'y a pas de sous-militants il n'y a que des militants. Je vous remercie. Quoi koarji fof mi Mes on mi juurima pour vous les bas, section monte la Jolie haaldere quand j'ai entendu la déclaration de c'était un soulagement c'est un gros poids et c'est une joie qui m'est envahie sincèrement c'est une joie qui m'a envahie parce que c'est un grand homme et je voulais qu'il sorte par la grande porte et c'est ce qu'il a fait. Et c'est un homme de parole, il a tenu sa parole. Et je voudrais dire aussi que c'est un homme qu'on aimera tout le temps. C'est notre, euh, comment on peut dire ça C'est notre fierté du Sénégal. Parce que c'est grâce à lui en tant que binational que j'ai aimé le Sénégal, que j'ai voulu travailler pour le Sénégal, que j'ai voulu donner au Sénégal aussi. Donc on le remercie. Euh, Oyehi, donc là, il est parti. En tout cas, il va partir, Inch'Allah. Il a dit qu'il va faire un choix, il va, prendre, il va faire un bon choix. Donc je lui fais confiance pour son choix. Vraiment, sincèrement. Si c'est lui qui choisit, je fais confiance à la personne qui va choisir parce qu'il va choisir un visionnaire. Un visionnaire comme lui, quelqu'un qui a la même vision que lui et une personne avec qui il va pouvoir euh, travailler en toute confiance pour le bien du Sénégal. Bonjour tout le monde. Euh, ce que je vois de la déclaration du président Macky Sall, il a fait un très bon choix. Je suis fier du président. Il a fait un très bon choix. Oui. parti. Comment a trahi le parti. Qui a trahi le ah parti Les gens qui disent ça. Ils disent ce qu'ils veulent parce que le président Macky Sall, c'est un chef d'État. Il sait ce qu'il fait. Et s'il a pris la décision de s'arrêter à la date du 3 et a annoncé qu'il ne se représente pas pour les élections de février 2024, c'est qu'il a ses raisons. Donc, il doit choisir un candidat et le candidat qui va choisir, nous tous, on va le suivre. On est prêt. On est prêt. Merci Pour le choix du président. Merci. Merci beaucoup, la Lyon. Eh, eh. Euh, déclaration euh, de Macky Sall euh, qui est le 3 juillet. C'était une bonne décision de sa, de sa part, c'est sage. Pour ceux-là qui l'écoutent et ceux-là qui ont lu son livre, pouvaient deviner en avance qu'il n'allait pas se représenter. Pourquoi tous les partis sont de tous les candidatures euh, non, les, beaucoup de gens au niveau de du, euh, les Sénégalais, euh, oui, les Sénégalais, les Sénégalais du monde entier l'ont investi pour qu'ils soit, qu'ils fasse un troisième, pas un deuxième quinquennat plutôt. c'est par peur, par l'opposition avec ce qui se passe au Sénégal. les actes de terrorisme ou bien les attentats au pouvoir, avec tout ce qui se passe quoi. Alors on voulait, on voulait pas avoir euh, un, président qui veut euh, du sang et du feu. Voilà. Oui, oui. Aujourd'hui, euh, nous les binationaux, je parle en tant que binationaux, parce que quand il était venu la dernière fois à Paris, il a honoré les binationaux, il a vu le travail des binationaux, et aujourd'hui nous sommes prêts à le suivre, et de, suivre la personne qui nous, qui nous présente à nous le nouveau candidat de Benne Bokoyaka et que nous serons derrière lui. Bonne continuation. Avant, tout d'abord, on est fiers de cette déclaration. Et on, on, va le, on, on attend, on écoute. Je ne suis pas déçu. Je ne suis pas déçu. C'est une décision qui est tout à fait normale. Il avait dit depuis 2019, il sera, ça sera son deuxième et, unique mandat. Donc là, seul candidat à Paris en tant que On est prêt parce que celui qui mettra ici, c'est celui qu'on construira, c'est tout. Il n'y a pas d'autre euh, solution. Le, ça va changer euh, Je pense que ça va être la continuation. Merci beaucoup. Merci ah, Abba. Euh, la décision que le président Macky Sall a prise, en fait, euh, euh, en tant que militant, j'étais un peu triste, mais aussi je suis soulagé parce que je suis content et j'accepte et tout ce que le président Macky Sall nous demandera de faire en tant que militant et nous le suivrons. Si toutefois demain l'APR choisit quelqu'un, quelle que soit la personne, nous en tant que militants et nous sommes disciplinés, le seul devoir qu'on a, c'est de l'accompagner et de le soutenir. Et nous sommes prêts à faire réélire, euh, faire, élire un président euh, le 25 février 2024, Inch'Allah. Merci beaucoup. Ça Et nous arriver toujours ça ne change rien, notre soutien est intact et nous sommes euh, prêts à accompagner quel que soit le candidat qui va être choisi qui va coïncider Merci. avec la phase 3 du Madame, plan d'action prioritaire. Donc, euh, est à votre disposition Afrique, et sera de tous les combats. Est-ce que là, tu écouté C'est la même question. Merci, Ben, merci à ah. la CCR, salut à la Je voudrais saluer aussi. Euh, responsable hein. je Tu sais que j'ai pas de temps, je la eh ben, parole. Merci Abba pour ta question. Comment j'ai vécu la décision du président de la République Je pense que comme tous les militants de la PR et de la coalition, nous étions quand même un peu surpris. Surpris parce que nous sommes conscients de l'importance de son excellence, le président Macky Sall, nous sommes conscients de ces réalisations et quand on a quelqu'un qui a très bien travaillé, on s'attend à ce qu'il continue son œuvre. Malheureusement pour nous, et peut-être heureusement pour le Sénégal, puisqu'il l'a fait dans l'intérêt des Sénégalais, non pas parce qu'il a fait un rétro-pédalage, mais plutôt parce qu'il a voulu apaiser les choses. Quand on sait que nous, avons affaire à une opposition qui, qui excelle dans la calomnie, la meilleure des solutions était celle que le président de la République a prise, c'est-à-dire ne pas se représenter. En revanche, en revanche, nous sommes des militants disciplinés. Nous restons à l'écoute de son choix. Quelle que soit la personne qu'il mettra devant, nous serons derrière ces personnes-là parce que à travers cette personne, nous aurons toujours l'image du président Macky Sall qui sera là. Et tant qu'il le voudra, nous serons toujours derrière ses décisions. nous sommes prêts à aller au combat. Les armes sont affûtées. Nous sommes prêts à aller au combat. Et pour une victoire merci beaucoup. avant tout mon frère maa ngi lay nuyu. avant tout mon frère maa ngi lay nuyu di la sant de la gërëm di la rafetlu si sa liggéey si parti bi maa ngi la si sant di la gërëm boo ñëwee dëkk ma micro wax ma si sama président Macky Sall. dama si sawar lool lool lool ndax président Macky Sall bu mu jëlee décision am ndax ma fekk may reer si saa si laa teg sama kudd sama rongoñ yi commencé daanu sama doom bi ne maman pourquoi tu pleures Macky Sall ma ne ko Macky Sall moo may jooy mais suñu président ñu ngi koy ñaanal di ko naan gàcc ngaalama président Macky Sall. ndax li nga def lii yombul presidente, président bu may commencé politique ba léegi musuma gis lii benn président ñëw rek ne. léegi que Macky bàyyi nga bàyyi nga wala ngay continuer. du ma mus a bàyyi o bu ma tegaloon bu ma bu mu teg bant fii ne kii laa bëgg ngeen ànd bu sooba yàlla man day xarit géeju je serai jusqu'au bout incha à cause de kii à cause de Sénégal à cause de sama réew ak à cause de sama président Macky Sall merci mon frère kontaan naa. Alors, comme beaucoup, je pense, euh, j'ai été euh, surpris, déçu, déçu, vraiment déçu. Euh, déçu, pas parce que le président n'a pas fait ce qu'il devait faire, déçu pas par lui, non, déçu par la décision parce qu'on aurait voulu qu'il continue ce qu'il a fait. Justement, nous, jeunes de la diaspora qui sommes nés ici, les binationaux comme on nous appelle, on est fiers d'être sénégalais juste pour le fait de dire qu'on a eu comme président Macky Sall. Parce que ce qu'il a fait, aujourd'hui, ce matin, j'étais à une euh, conférence encore où il y avait euh, des Africains de partout, des gens de la diaspora, Camerounais, Béninois, Ivoiriens, euh, tout ce qu'on veut. Lorsqu'ils vont au Sénégal, pour ceux qui sont allés, ils disent franchement, Sénégal, c'est magnifique, c'est incroyable le pays que vous avez. Ils seraient venus avant 2012, même si on salue ce que le président Ouad avait entamé mais ils n'auront pas été aussi éblouis. Parce que le travail qui a été fait en termes d'infrastructure, c'est presque unique en Afrique. Il faut aller en Afrique du Sud, il faut aller un peu en Côte d'Ivoire, il faut aller euh, au Nigeria pour voir ce qu'il y a au Sénégal faut aller dans, peut-être euh, au, Maroc, dans le Nord, mais dans les 54 pays africains, on peut être fier nous, en tant que Sénégalais, de ce que le président euh, Macky Sall a accompli. Aujourd'hui, on limite partout et beaucoup de pays aimeraient, rêveraient d'avoir un président comme on a eu. vraiment, vraiment, on leur remercie. Il a arrêté le croix. Les discours, c'est bien. C'est très bien. Ah, Chacun parle c'est le travail. Je suis responsable des structures. On est prêt à accompagner celui que le président nous dira d'accompagner. Parce que si on accompagne celui que le président désignera, c'est comme si on l'accompagnait lui. Il a décidé de se retirer pour, cette, euh, pour ce, mandat-là qui, est arrive, mais il n'est pas exclu qu'il revienne pour les prochaines élections après ce mandat-là. Donc on l'attend depuis ferme, on espère, Inch'Allah, qu'il va revenir. Identifiez-nous, militants. Militants engagés, Comment tu as vécu le déclaration Elle a une petite situation qui était un peu de pour alors comment on l'a vécu euh, Au départ, je me disais qu'on l'avait vécu très mal le 3 juillet, lors de la déclaration du président. Mais avec du recul, je me suis dit c'est une bonne chose. Mais cela ne nous empêchera pas de travailler, bien au contraire. On va doubler d'efforts pour pouvoir continuer à préserver notre parti et euh, à continuer à avoir le pouvoir, Inch'Allah, le 24 février 2025, Inch'Allah. Alors, alors, peu importe la personne qui va choisir, pour moi, ça sera le président Macky Sall toujours. Donc, je serai toujours derrière. Jusqu'à présent, je suis derrière. Merci beaucoup. De rien. sherif a salminama juurama weltanama Kali, mi salmini kala jeeɓowo entraînement des tv Chérif, sherif euh, décision pour décision ganduɗa hoorema mine personnellement mbeɗa anduno mo waɗo décision euh, Chérif, avant tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer euh, sur votre antenne, sur votre télévision, la DSTV. Alors, moi, la décision du président de la République ne m'a pas surpris, honnêtement, parce que j'ai fait des analyses de ce sens en disant que euh, le président, il l'avait écrit dans son livre, Le Sénégal au cœur, si les gens l'ont lu, il l'avait bien dit, si les Sénégalais lui donnent la chance en 2019, ce sera son deuxième et dernier mandat, son second et dernier mandat. C'est qu'il a bien écrit. Et quand aussi j'avais lu le livre de Cher Yerim Sek, euh, l'histoire euh, avec Macky Sall, il avait écrit aussi en hein, disant que c'est lui-même qui a dit, il a ajouté, nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs, c'est pour ne pas s'éterniser au pouvoir. Il l'a dit, donc euh, moi personnellement, ce n'est pas quelque chose qui a, été, qui a été nouveau, mais je salue quand même cette décision, ça permet aussi de lui donner euh, ce leadership qu'il a toujours incarné, que c'est un homme de parole après que les gens ont eu à le diaboliser, de traiter de tous les noms, il a montré à la face du monde que c'est un homme d'État. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce que nous sommes dans une logique politique et que euh, l'horizon 2035 avec le PSE doit être continué et doit continuer, bien sûr, avec n'importe quel candidat. Euh, nous sommes des militants, nous sommes des militants bien engagés et aussi euh, le président de la République, il choisit n'importe quel candidat, nous serons derrière lui. Ça c'est une évidence parce que l'idée aujourd'hui, comme il l'a si bien dit, c'est de se maintenir au pouvoir et de le conserver le plus longtemps possible. Mais cela, pour l'avoir et pour le réaliser, il faudra aussi qu'on redouble beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts et de vigilance et de travailler aussi. Voilà, donc euh, je pense que c'est possible et nous allons le faire. Yes, weekend.